D'après les études qui ont été faites euh, par euh, la PAC Niger et son partenaire euh, IPAO, c'est la place qu'elles occupent passe la place <laughs> qu'on leur, donne. <laughs> Donc, elles occupent la portion congrue par rapport à l'accès au postes de responsabilité de manière générale, pas seulement au niveau des rédactions, mais aussi au niveau et des postes de direction, au niveau des postes, en tout cas importants, même quand elles ont le bagage qu'il faut, même quand elles ont l'ancienneté qu'il faut, mhm. elles sont très peu nombreuses au poste de responsabilité dans les rédactions. Et évolue à pas de tortue, puisque de manière générale, euh, on a constaté quand même euh, la présence euh, importante des femmes au niveau des rédactions en tant que présentatrice, en tant que reporter, mais en tant que responsable quand même, euh, elle reste à la marge. Cependant, euh, au niveau de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, mhm. les diplômés filles sont plus nombreuses aujourd'hui que les diplômés garçons. Bon, vous savez, on a beaucoup plus euh, confiance euh, aux capacités de, de l'homme. De un, ça c'est la société qui l'a imposé. Et de deux, il y a aussi les contraintes euh, familiales et sociales qui pèsent sur les femmes. Puisque même le fait d'être présentatrice ou animatrice n'est pas toujours accepté par euh, certaines familles, par certains époux. Et quand à cela, il faut ajouter aussi les responsabilités en tant que mère. quand on est jeune, on est appelé euh, à avoir euh, les maternités, donc tous les soins à apporter au bébé, ça retombe sur la mère. Mhm. Ce n'est pas toujours qu'on la chance d'avoir aussi quelqu'un pour bien assister la femme travailleuse. Donc, euh, les questions de soins aux enfants, les questions de santé, et tout ça aussi, ça constitue un frein à la promotion des femmes euh, au niveau des postes de responsabilité dans les médias.